Naby Choucair hôpital la bi nga xamné ne euh, ay nit ñoo fajo juste ci devanture bi côté tali bi taar gi mu warona am yëpp amu ca lenn parce que dañoo lancé suñuy travaux waxtaan ak ministre lancé suñuy travaux ba woté ñëpp ñëw féké ñu tek suñu première pierre ñu commencé suñu travaux ñu ne DSCOS moo ñow arrêté travaux yi léegi nag xamuñu lu tax mu arrêté travaux waa suñu sañoon DSCOS dellusiwaat ci ay décision am waxtaan nag buur buur mi fi nekkal ñëpp waxtaan ak buur ba ñu fexe delloosiwaat travaux yi ndax fii mën a nuru xoolal place bi ni mu mel waa dëkk bi yëpp mën naa nekk marché moom moo ma jaaxal ci waa Sénégal jaay baax na bëgg naa jaay sama morom bëgg na jaay keneen bëgg na jaay kon buur boog dimbale ñu ci ay marché ndax nit ñi ñu ñëpp ñu bëgg a jaay jaay waaye fu fu waay gis espace rek lal fa fu waay gis espace rek lal fa fu waay gis espace rek lal fa xoolal fii ni mu nu digganteem ak tali bi nu mu jege yaatoo ñu bugg fii def normalement dañ ko war a taaral te fii mooy suñu route principal kuy dugg biir Sénégal fii nga koy awee boo daan jógee aéroport Léopold Sédar Senghor bii fii nga daan awe booy génn biir Patte d'Oie fii nga koy awee booy dem Guédiawaye fii nga kay awee fii daal dafa nekk Patte nekk ci centre bi nekk genre Carrefour léegi normalement dañ ñu ko war a taaral parce que ñun dañoo jàpp ne ñoo nga ci xolu Patte d'Oie. travaux yi arrêté nañ ko mais ñun xamuñu lu tax ñu arrêté ko. Euh, jàpp naa ni euh, ministre bi su jëlee décision euh, jàpp ma ni DSCOS si boppam war na ko mën a arrêté parce que décision ministre bi moo war a gën a kawe décision DSCOS parce que ministre mënul ñëw fii def fii pose première pierre ah waa Patte d'Oie yëpp kontaan xalaat ni place bi duñ koy defar ñu yeewu suba ñu arrêté suñuy travaux arrêté travaux yi te waxuñu lu tax ñu arrêté ko donc fi mu nekk nii ñun waa Patte deuk Patte vraiment amuñu lu ñu neex ci site bi site bi euh, vraiment euh, ku gis ni ni mu mel da ngay foog ni sax euh, ñun duno ñak fayda té ñun ñàkk ñu fayda on a pensé que ni site bi war nañ ko mëna défar mu rafet comme ñu ñuy défaré yeneen cité yi man mënuma comprendre président de la république di wax des encombrements ñun ñu ñuy indil encombrement Patte d'Oie li fi nekk fii kenn mënu ko wax Nabil Choucaire ngi ni nekk hôpital fi bu ñuy ñëw def pollution sonore musique bi di dem noppalu noppalu ñu site nous avons été en accord avec l'État parce qu'il y avait une politique de lutte contre l'insalubrité. Tout le monde connaît que devant une structure euh, de santé comme Nabichuker, on ne pouvait plus permettre qu'il y ait des ambulants, qu'il y ait euh, des agressions, qu'il y ait une insécurité. Et c'est à cause de ça que euh, le conseil municipal, conscient euh, de cette menace-là est venu et a montré sa volonté pour éradiquer ce fléau-là. Malheureusement, aujourd'hui, euh, ce qui nous inquiète et qui inquiète les populations, et c'est très normal, c'est qu'effectivement, on a fait le lancement de travaux, on a tous les avis nécessaires. Malgré ça, la DESCOS campe sur la décision euh, d'arrêter le chantier. Et nous nous ne savons pas pourquoi aujourd'hui Quelles sont les raisons, quels sont les motifs qui font que ce, changement là est toujours à l'arrêt Et ce qu'on demande régulièrement à la commune, c'est de continuer à désencombrer. Nous n'avons pas toutes les ressources pour régulièrement désencombrer et laisser l'espace vide. Donc euh, c'est à cause de ça que nous sommes beaucoup plus inquiets que les populations et c'est à cause de ça que nous voulons les rassurer. Les rassurer parce que des propos que nous avons entendus ça et là, surtout surtout dans le contexte même de la campagne électorale, avec l'arrivée des autorités, ils ont montré une bonne, euh, une bonne disposition, en tout cas à accompagner les populations sur l'aménagement de la façade de Nabichuker, sur l'aménagement euh, des, terrains, terrains en gazon synthétique, euh, sur la euh, réhabilitation du marché de poissons de Grand Médine, surtout sur la gestion concertée du parking du SAT de l'amitié, du SAT Léopold Sédar Senghor. Donc tous ces éléments-là, aujourd'hui, tous ces chantiers, malgré la volonté de la municipalité, tous ces chantiers-là sont à l'arrêt. Et c'est un prétexte pour nous de nous poser des questions. Nous pensons que les autorités sont assez informées, ils ont les bonnes informations. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut qu'ils nous donnent les éléments euh, factuels qui font que toujours ces chantiers-là sont à l'arrêt. Parce que nous ne sommes pas très très enthousiastes pour aller encore faire un désencombrement de plus, parce que nous n'avons pas du personnel à laisser derrière chaque, marchand ambulant. Donc c'est à cause de ça que nous partageons avec eux leur inquiétude et nous pensons que ce cri du cœur, ce cri du cœur sera entendu par l'État qui va réagir dans les meilleurs délais. Thank you.